de votre fidélité aux différents programmes du studio Kalangou. Je suis très ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de la mi-journée du studio Kalangu. Je suis Olivia Assogwavi à la présentation je suis avec Ali Tajissir. La technique est assurée par Mustapha Ayuba et Adama Dawaki est notre chef d'édition. Le Niger Sir de ce 12 avril 2023 vous propose une aventure radiophonique composée d'un entretien avec le dessinateur Ahmed Rissa. Avec lui, nous allons revenir sur ses passions. Dans nos différentes rubriques, nous allons recevoir des conseils religieux avec le débit de la troisième décade du Ramadan. Également, nous allons faire un tour en cuisine. Et pour planter le décor, recevons Mokhtar Amadou pour le Flash Info. Mokhtar Amadou, bonjour. Bonjour euh, Olivier Sokbavi, bonjour Ali Tajissir. Eh bien, nous débutons euh, ce flash d'informations par l'agenda à la primature. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou qui a reçu dans l'après-midi d'hier une délégation de la Croix-Rouge composé du représentant pays de la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Thierry Baloy, et du président de la Croix-Rouge nigérienne, Ali Bandiare. La délégation est venue rendre compte au chef du gouvernement des activités que mène le mouvement de la Croix-Rouge au Niger et profiter de l'occasion pour lui annoncer l'organisation d'un événement de haut niveau permettant de trouver une euh, synergie à travers la problématique du changement climatique. Les membres euh, des bureaux euh, des sept commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale ont été présentés mardi au reste du Parlement. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le premier vice-président de l'institution, Kala Ankorao. Selon l'agence nigérienne de presse ANP, le bureau de chaque commission est mis en place après concertation des groupes parlementaires en tenant compte des attributions des candidats. Fin hier à Agadem, région de Difa, de la réunion interministérielle sur le pipeline export Niger-Bénin qui a débuté le dimanche. Auparavant, le gouverneur de la région de Difa a entrepris une série de campagnes de sensibilisation dans le département de Ngourti où se trouvent les installations pétrolières euh, du Niger euh, sur les questions sécuritaires, l'emploi des jeunes et le rapport entre les sociétés chargées de l'exploitation pétrolière et les populations locales. À l'issue de sa tournée, communauté et autorités euh, se sont entretenus pour euh, trouver des réponses efficaces aux préoccupations des populations. C'est tout pour ce flash d'information de ce mercredi 12 avril. passé euh, d'agréables moments en compagnie de mes collègues Olivier Aksobavi et Ali Tajissir pour la suite de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci infiniment Mokhtar Amadou pour ce flash info qui nous projette dans les infos du jour. L'invité de ce matin fait parler de lui à travers ses pinceaux. Dessinateur passionné de la graphique, nous nous sommes entretenus avec Ahmed Rissa dans cette émission Le Niger sur Kalangou et avec lui, nous allons aborder sa passion, comment il se fait nourrir par sa passion. Oui, Olivier, mais avant la première partie de notre interview, je vous propose, chers auditeurs, de suivre les mots de Oustaz Haladou Yahya qui nous parle aujourd'hui des prières nocturnes. La troisième décade euh, offre euh, une opportunité de la recherche des bénédictions de la nuit de l'électrocadeur et principalement les fidèles s'évaquent aux prières euh, surrogatoires parmi tant d'autres bonnes œuvres à accomplir évidemment. pour dire que des prières nocturnes ont des avantages euh, incommensurables. Allah subhanahu wa a parlé, c'est même un serment qu'il a prêté, aussi a recommandé aux fidèles de se prosterner une partie de la nuit, de le glorifier de longues heures. Chacun en fonction de ses possibilités. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit accomplir deux rakats le milieu de la nuit est la meilleure prière après les prières euh, prescrites. Et il a également dit accomplir deux unités de prière pendant la nuit dépasse le monde et ce qu'il contient. Les prières nocturnes se pratiquent durant le mois béni de Ramadan, cependant elles sont intensifiées durant ces dix derniers jours qui constituent la troisième décade qui offre, selon le prédicateur, une opportunité de la recherche des bénédictions de la nuit du destin ou l'Aïtul cadre. Merci infiniment, à Wa pour cette rubrique. Nous souhaitons une bonne procession des fois à tous nos auditeurs et auditrices et espérons que cette rubrique vous a guidé. À présent, nous poursuivrons ces rendez-vous avec la première partie de l'entretien avec notre invité. Comme annoncé, celui que nous recevons ce matin est un dessinateur qui s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux à travers ses dessins, portraits, paysages hyper réalistes. Ali, tu es allé le rencontrer. De quoi avez-vous parlé Alors, je vous propose d'écouter notre interview pour plus de détails. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes toujours avec vous dans votre émission préférée, le Niger sur Kalangou. Toujours de bonnes et délicieuses choses que nous vous réservons. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune artiste qui a su imposer sa marque et qui a pu également donner un sens à un art qui était jadis méconnu ou abandonné au Niger. Il s'agit de Ahmad Rissa, un peintre dessinateur et concepteur de portraits Bonjour Ahmed et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci aussi de m'avoir invité sur cette émission. Ça me fait plaisir de partager avec vous mon, parcours et mon métier et qu'est-ce que je fais dans la vie. Alors Ahmed, euh, vous êtes infirmier de formation et aussi communicateur et votre passion c'est la peinture puis dessinateur aussi. Vous pouvez nous parler euh, de vous-même, parle-nous de toi, de ton parcours académique et artistique. Je m'appelle Ahmed. Euh, je suis d'Abalak et j'ai fait mes études à l'École nationale de la santé publique. actuellement, je suis titulaire d'un diplôme d'agent de santé de base. Mais euh, ce n'était pas ma vocation et ce n'était pas ma vraie passion. Et après l'obtention de mon diplôme d'agent de santé, j'ai décidé de, de changer de parcours. Parce que ma passion, c'est le dessin. Et le dessin n'a rien à voir avec euh, la santé, sauf dans le domaine de l'anatomie. Et ça, c'est en médecine développée trop. C'est pas à mon niveau. Donc, euh, je me suis inscrit à, l'université Boudoumoumouni euh, à la faculté des lettres, arts et communications. Et de l'autre côté, je me suis inscrit à l'Institut où j'ai obtenu mon BTS d'état en communication des entreprises. Alors Ahmed, euh, après un long parcours académique scolaire, euh, c'est après que vous avez découvert euh, votre passion. Alors, c'est une découverte pour vous ou bien c'est quelque chose qui était, caché mais que vous sentez Bon, je, suis né avec la passion des de dessins parce que depuis l'école primaire, je faisais les dessins, je faisais des croquis, mais ce n'était pas mon métier jusqu'après l'obtention de mon bac où j'ai partagé quelques, quelques dessins avec les amis sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup apprécié mon talent. Ils m'ont encouragé à, continuer dans, dans, ce sens. Au début, je ne je savais pas exactement comment, je ne savais pas bien dessiner en réalité. Avec le temps, oui. Avec le temps, j'ai développé mes compétences parce que j'ai dessiné tous les jours et je suis toujours avec mon, mon carnet de dessin. Je faisais des dessins d'observation, j'observais un endroit, je, caricature tout ce qui est devant tout ce que je vois. Avec le temps, je me suis euh, vraiment bien formé jusqu'à arriver à faire des portraits. Ce qui est le plus difficile en, dessin, c'est de réussir un portrait et d'avoir la ressemblance avec le modèle. Donc c'est les portraits qui est le genre le plus difficile dans, dans votre... Euh, Effectivement, oui, c'est de réussir un portrait, d'avoir un, une ressemblance avec les modèles parce que euh, il y a des portraits euh, d'observation, c'est-à-dire d'observer la personne en, direct et de le faire sur papier directement. Ça prend plus de temps. Mais moi, le plus souvent, je, travaille avec les photos afin de bien réussir les portraits. Ça ne va pas me prendre plus de temps. Ahmed, aujourd'hui, beaucoup de nos auditeurs qui nous occupent aujourd'hui euh, pensent que la formation en santé, communication, peut-être aussi un peu opposé euh, à la passion de, peintre ou bien dessinateur. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cela Comment vous avez pu vraiment cumuler euh, la passion et le métier de l'agent de santé Effectivement, c'est des domaines différents. On ne peut pas les associer, c'est vrai. De l'autre côté, c'est le domaine de la santé. Je vous ai expliqué que si... Dans la santé, on n'a pas besoin de, de dessinateurs sauf dans l'anatomie. La médecine les plus avancée, c'est pas à mon niveau. Certes, euh, j'ai eu mon diplôme d'agent de santé, mais c'était pas ma vraie vocation. Ma vraie passion, c'est le dessin, la peinture, la créativité. Vous n'avez jamais reçu des formations par rapport euh, au métier de dessinateur Non, je suis un artiste autodidacte et je me suis formé moi-même. Donc. Euh, je n'ai jamais reçu de formation ni des ateliers sur ces métiers. Sur ces métiers. Alors, Ahmad, il y a une question aussi qui est dans les esprits de nos auditeurs. Ils se demandent, est-ce que ce que tu fais là est rentable Personnellement, au début, c'était pas rentable et les gens me découragé en me disant que tu n'as pas de boulot à faire, euh, cherche un boulot plus rentable, dessiner, euh, ça va rien t'apporter. Mais avec le temps, je me suis perfectionné. Actuellement, j'ai des clients même à l'étranger. Euh, c'est vrai, les Nigériens ne savent pas l'importance de l'art. La plupart de mes clients, ce sont des étrangers. Je reçois des clients en Belgique, Canada. Je fais des portraits ou bien des tableaux décoratifs, je les envoie. Et j'ai fait, j'ai travaillé aussi pour les ONG dans le cadre de boîte à images. Boîte à images, c'est un ensemble de dessins qu'on utilise pour faire des, sensibilisations au niveau des... Dans les zones rurales, oui. Je finance mes études euh, avec, donc je dirais que c'est un travail rentable. Alors, euh, ce travail-là, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend bien, c'est quelque chose euh, vraiment inné Je dirais les, le talent, c'est inné. Ce qui est inné, c'est c'est d'avoir la passion ou bien d'aimer la, chose qu'on fait. Et le fait d'apprendre à dessiner, oui, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que moi-même, je n'étais pas à ce niveau avant. Avant, je, n'arrivais pas à bien dessiner les proportions du visage, de bien mettre les, les proportions à leur place, ça veut dire de, de mettre les yeux ou bien les nez au bon endroit. Mais avec le temps, avec les exercices, je me suis perfectionné, oui. Euh, donc, euh, vous pensez que s'il y a des jeunes qui veulent s'engager dans ces métiers-là, il n'y a pas un obstacle pour qu'ils s'engagent C'est vrai, il y a des obstacles ici au Niger parce que nous n'avons pas des, écoles d'art. Il n'y a pas des écoles où on forme, euh, des, on forme des dessinateurs ou bien des, des concepteurs graphistes. Il n'y en a pas ici au Niger. Mais il y a des artistes quand même au Niger qui sont bons de dans ce domaine qui peuvent former des gens, ou bien avec un bon accompagnement, ils peuvent créer quelques, euh, au moins des ateliers de formation pour former des jeunes. Par rapport à cette formation-là, votre niveau aujourd'hui, est-ce qu'il y a des jeunes que vous formez Oui, effectivement, nous, avons un atelier euh, de formation en dessin vers euh, point Liberté, c'est à l'espace tôt là-bas on, forme des jeunes, on, forme, on fait des ateliers de dessin, de créativité pour les enfants aussi, pour les, former. Euh, quels sont les types, euh, les genres d'œuvres que vous dessinez J'ai fait des tableaux décoratifs. C'est des œuvres mhm. euh, destinées à la décoration des maisons. par exemple, tableaux qu'on met dans les salons, dans les bureaux. Et je fais aussi des portraits. On les utilise souvent euh, pour faire des cadeaux ou bien pour féliciter quelqu'un, on fait son portrait, pour aussi garder des souvenirs ou bien aussi pour récupérer les anciennes images. Si vous avez une ancienne photo qui est un peu détruite ou bien qui est gâtée, on peut récupérer ça. Je peux vous faire ça en grand format. Et je peux aussi faire ça, ramener la qualité de l'image aussi. C'est tout ce qui est détruit, je peux récupérer ça. Euh, je fais aussi des fresques murales des grands tableaux qu'on fait sur les murs ou bien dans les, grands restaurants. Intéressant, n'est-ce pas Ah bien sûr, quand même. <laughs> <laughs> nous allons marquer une pause pour suivre les conseils du médecin qui aujourd'hui nous parle des crises gastriques, précisément des crises d'ulcères. Beaucoup de personnes en souffrent, surtout pendant le jeûne. Oui, les crises d'ulcères gastriques évolutives sont incompatibles avec le ramadan. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que nous apprend le docteur Meinou Mamoudou, hépato-gastro-entérologue à l'hôpital national de Zender. Selon lui, il n'est pas recommandé à une personne souffrant d'ulcères évolutifs de jeûner. Il répond aux questions de Zara Boukar. Dans la journée, le fait de ne pas manger, il y a des mécanismes vagaux qui produisent assez d'acide chlorhydrique dans l'estomac. La nuit aussi, les gens mangent trop épicé, trop gras, les boissons gazeuses. Donc tout ça, là, ça complique la tâche. Une réaction inflammatoire se produit au niveau soit de l'estomac et puis ça va s'accoler au pancréas. Maintenant, ça devient bouché la personne va saigner soit en vomissant du sang. Et quand c'est énorme, il va encore saigner le sang par l'anus. Dès qu'on sent les troubles digestifs gastriques, c'est de vite faire pour venir dans un centre de santé donner les symptômes. On évalue, ici, on pense à des symptômes de crise ulcéreuse et on fait l'examen pour voir réellement c'est ça ou pas. On adopte l'attitude à tenir s'il va falloir rester sans faire le jeûne, on ne vous empêche. Ou bien si c'est supportable, on met un traitement un peu pour diminuer l'acidité. Merci Zara Boukar ainsi qu'à tous les réseaux de nos correspondants partout au Niger. Pour ceux et celles qui viennent de nous retrouver, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Nous allons poursuivre cette aventure radio avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Notre invité, il s'appelle Ahmed Gissa. Il est interrogé par Ali Tajissir. Euh, après avoir découvert ta passion dans ce domaine-là, est-ce que tu as eu un accompagnement, qu'il soit, enjeu ou bien de l'État euh, oui, c'est cette année que j'ai eu un accompagnement du ministère de la Culture et du Tourisme. C'est un fonds destiné aux artistes. Donc j'ai reçu quelques matériels des dessins, notamment les pinceaux, les toiles, les carillons. Bon, c'est pas tout ce qui est nécessaire, mais ça va. C'est un petit accompagnement. J'espère qu'avec le temps, ils vont nous donner plus. Euh, j'ai une collaboration avec euh, des amis artistes euh, donc notre atelier se trouve euh, dans l'espace Trito où nous formons des jeunes. Le plus souvent, on, forme, on fait des, sessions par semaine, mercredi et dimanche. Pour le moment, on a un groupe de 15, c'est des jeunes à former d'ici fin du mois. Donc chaque mois, on fait, on fait un cycle. Et j'invite euh, tous ceux qui, ceux qui désirent apprendre à dessiner, c'est pas à avoir la base la base des décennies à, intégrer notre formation. Euh, jusqu'à aujourd'hui, vous avez formé combien de jeunes à peu près À peu près 25, 25 jeunes. Parce qu'on avait commencé les formations depuis janvier. Et chaque mois, on fait des sessions. Donc chaque mois, c'est un autre groupe. Et ces jeunes aujourd'hui commencent à, manifester les talents de, dessinateur ou bien jusque-là, ça reste à perfectionner Jusque-là, ça reste à perfectionner. On ne peut pas apprendre à dessiner dans, en un mois ou bien deux mois. Dans les écoles d'art, on fait, on fait des cycles jusqu'à Master en dessinateur ou bien concepteur graphique ou bien ça, ça demande énormément de temps. C'est un métier qui demande euh, vraiment de la patience et beaucoup d'efforts. Donc on ne peut pas la prendre en une ou deux mois. Vous avez parlé euh, du fait que les Nigériens ne s'intéressent pas vraiment à l'art, surtout du dessin, et que euh, même vos clients sont généralement des étrangers. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les Nigériens aussi à s'intéresser à l'art, et euh, surtout à l'art du dessinateur, du peintre ce qu'il faut, c'est d'abord une sensibilisation, c'est de montrer aux Nigériens que nous, les artistes nigériens, on peut faire mieux que les artistes de l'étranger parce que les Nigériens, ils préfèrent acheter des tableaux à l'étranger que de les acheter ici au Niger, alors que nous avons des bons, artistes qui font des, beaux, des jolis tableaux, parfois mieux que les étrangers. Donc euh, j'invite les Nigériens à encourager les, les artistes locaux et de consommer les produits locaux. Depuis que vous avez découvert votre talent de dessinateur, vous avez dessiné combien de tableaux et de portraits Bon, dans l'ensemble, c'est à peu près 600 ou bien 700 tableaux. Oui, je fais des portraits, mais c'est, au petit format. Ça, je ne les considère pas comme des, tableaux. Je parle des tableaux de grand format, des, portraits, que ce soit des portraits ou bien des, des tableaux décoratifs. C'est à peu près 500 ou bien 600 tableaux. Euh, Ahmed, aujourd'hui, les artistes, peintres et dessinateurs, est-ce que vous avez une association ici au Niger Effectivement, nous avons l'association de la promotion des artistes, euh, peintres et plasticiens du Niger, qui a été créée depuis longtemps, les années 90, qui ne fonctionnait pas avant. Donc c'est récemment qu'on a activé ces activités. Donc c'est une association pour but de, favoriser les artistes nigériens sur les marchés et de créer des projets, des projets pour avoir des financements afin d'organiser des expositions et de participer à des expositions à l'étranger. Est-ce que vous, avez une fois fait, par exemple, euh, une foire pour exposer euh, vos œuvres euh, oui, récemment, on a fait une exposition euh, au Musée national et à l'espace euh, CCOG. Donc, c'était des expositions où on a invité des autorités qui ont participé à encourager les artistes à faire des productions et, à inviter la population à encourager les artistes et à acheter des, tableaux locaux. Le but de l'association aussi, c'est d'encourager les les investisseurs étrangers qui viennent au Niger, qui, font des, des constructions. Vous savez, sur chaque construction, normalement, il y a un budget de à peu près 5 ou 6 destiné à la, la décoration. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent, qu'ils soient ici au Niger ou bien euh, à, l'étranger, dans ce domaine du dessinateur ou du peintre euh, Oui, mon artiste préféré, c'est dans les pays de la sous-région, c'est Thiam Ar, c'est un artiste béninois. Et aussi euh, Christopher, c'est un artiste euh, burkinabé. Et à l'international, je m'inspire de euh, Vincent Van Gogh et également Picasso, parce que c'est le, le pilier de l'art moderne aussi. Euh, quel est votre message pour les jeunes euh, qui s'inspirent aujourd'hui de vous et qui vous suivent euh, certainement sur les réseaux sociaux Mon message aux jeunes qui veulent être ou bien qui s'inspirent de ce que je fais, c'est vraiment d'avoir le courage parce que vu les difficultés que j'ai rencontrées aussi au Niger, le manque de, matériel, le manque de formateurs, ça demande vraiment de la patience et du courage aussi. Merci Ahmed Gissa. Si moi je retiens quelque chose de cette interview, c'est de prendre du temps pour perfectionner son art. J'espère que nos auditrices et auditeurs ont également appris de nouvelles choses sur ce métier grâce à ces informations que vous venez de partager avec nous. Chers amis auditrices et auditeurs, c'est pour nous le moment d'avancer. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de Niger sur Kalangou et vous nous recevez à travers les ondes de nos radios partenaires et via notre site web www.studiokalangou.org. Nous sommes à la minute environnementale de notre rendez-vous. Quand on est mercredi, Olivier, on parle environnement. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Nous allons aborder les questions de pratiques néfastes autour du fleuve Niger et d'autres points d'eau. Des activités qui pourraient nuire à notre santé et conduire à la disparition de certaines espèces animales et végétales. Heureusement que dans des localités, pour sauvegarder et préserver leurs ressources, les populations ne manquent pas d'imagination. Elles instaurent une gestion rationnelle des points d'eau, comme à Albakaïze, dans le département de Gaïa. Plus de détails avec colonel Ibrahim Maudougou, ingénieur des eaux et forêts, interrogé par Rahilatou Soumana. Pour parler du fleuve Niger, il y a certaines activités illicites euh, qui, qui se pratiquent euh, là-bas, comme par exemple l'année dernière vers Gaïa où on a appréhendé des personnes qui déversaient du poison pour euh, capturer des crapauds. Ces genres de pratiques, qu'est-ce que vous faites pour éviter ça et qu'est-ce qu'encore euh, la personne. Oui, en réalité, c'est une activité que nous avons constatée également. Donc, euh, des, bon, <coughs> donc c'est des, des, pratiques que nous avons constatées. Des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont même pas des Nigériens, qui viennent pour exploiter ces mares. Et malheureusement, ils utilisent des produits nocifs pour euh, non seulement les crapauds, mais également pour l'homme. Parce que les gens boivent de l'eau qui n'est pas potable. Et là, comme vous le dites, il y a eu des saisies personnellement, moi, j'ai assisté à ce genre de saisie, notamment au niveau de Gaïa, où nous avons interpellé des gens qui le font. Malheureusement, c'est une chaîne. Il va falloir démanteler cette chaîne-là qui se trouve non seulement au Niger, mais, mais aussi jusqu'au Nigeria. Parce qu'ils disent que euh, ces grenouilles euh, s'achètent mieux que le poisson. Donc pour eux, c'est une activité créatif, Donc, il va falloir que euh, le temps nous appuie dans ce sens. On le fait vraiment volontairement. Donc, le service de l'environnement de Gaïa et des autres départements et communes également, vraiment sont à pied d'œuvre pour démanteler ces malfaits parce que vraiment, il s'agit d'une activité néfaste à l'environnement de manière générale, à l'homme. Et là, vraiment, nous essayons de pouvoir, comment on appelle, ils sont arrêtés et ils sont euh, traduits selon la procédure donc à la justice le produit il est, confisqué, et détruit parce qu'il s'agit déjà d'un empoisonnement, si on peut le dire. Et, là, nous mettons la main et nous euh, mettons euh, la mairie pour prendre ses responsabilités. À part cette façon de faire, est-ce qu'il y a d'autres espèces euh, aquatiques euh, interdites de pêche que les gens capturent pour leur commerce en fait, c'est un peu le capture, si on peut le dire. C'est vraiment un empoisonnement. Donc, ils essaient d'empoisonner pratiquement. Et là, et comme je, comme je disais tantôt, c'est pratiquement tout ce qui est vivant qui meurt. Donc, ce n'est pas uniquement les grenouilles, c'est-à-dire les micro-organismes qui servent d'alimentation aux poissons ou aux autres organismes, là, notamment les oiseaux, meurent. Et là, tu vois, c'est toute la chaîne alimentaire qui est, comment on appelle, euh, attaquée, c'est-à-dire que ce soit le poisson qui est dans l'eau, mais également les oiseaux qui viennent manger les grenouilles ou bien les microplanctons, donc au niveau du point d'eau. Généralement, la pratique la plus néfaste, c'est l'utilisation des scènes qu'on appelle candy candy, ou des éperviers au niveau du plein d'eau. C'est des engins qui sont à petite maille, de petites mailles de fois. C'est des petites mailles que même un dos de, fois ne peut pas euh, rentrer. Donc, ils utilisent sur des plans d'eau et là, ils ne donnent de chance à aucune catégorie de poissons. Donc, que ce soit les alevins, que ce soit les géniteurs mâles et femelles, sont carrément et simplement raclés. Et là, c'est une pratique néfaste parce que là, euh, c'est bon, je ne dis pas que c'est à l'image de, l'empoisonnement, donc euh, du site, mais quand même, ça s'assimile à un empoisonnement parce que pratiquement aucun individu ne reste dans l'eau. La loi interdit L'usage de ces deux engins, notamment la Seine et, les parvis, parce que tout simplement, c'est des engins qu'on utilise pendant la période de mars à avril où il n'y a, a, pas beaucoup d'eau. Ils viennent au niveau d'un plein d'eau et là, ils raclent tout et puis ils s'en vont. la, conséquence de cette pratique Bon, la conséquence de cette pratique, c'est que, bon, à un moment, le plein est se vide d'eau. Généralement, comme c'est des plans d'inondation, vous allez trouver à, une période de l'année, mars, avril, où il n'y a pratiquement aucun poisson. Rien ne bouge au niveau de, de ce plein d'eau. Maintenant, il faut la saison de pluie quand le, lit mineur il est alimenté et les plaines d'inondation sont alimentées. Et là, c'est en sens là que les autres poissons donc, qui remontent le fleuve donc, se retrouvent là-bas encore pour pouvoir grandir. donc, c'est vraiment de l'égoïsme parce que quand tu viens toi seul, tu plains un plan d'eau, tu ramasses tout, tu t'en vas. Donc, bon, et c'est pas normal. Normalement, <laughs> le plan d'eau, il, il, appartient à la population. Et normalement, il va falloir que euh, tout le monde en profite. Et ici, je reviens sur un exemple euh, pratique de gestion de ces zones de pêche. Euh, un village qu'on appelle euh, dans la zone de Gaïa ou Albacaïs, un village vraiment, ils ont une méthode locale de gestion des ressources où ils empêchent à tous de pêcher dans les plans jusqu'à une certaine période. C'est-à-dire que depuis la fin de la saison de pluie jusqu'en avril, personne ne touche. Et ils ont un système de rotation pour faire la police entre eux, hein, vraiment, pour empêcher à ceux qu'on utilise euh, les engins pour travailler au niveau de ces marais. Maintenant, à l'approche de la saison de ils fixent une date où les pêcheurs, ils viennent, ils viennent même du Niger, mais ils paient une, petite taxe pour venir pêcher. Donc, et là, ça profite à tout le monde. Donc, tous les villageois qui sont riverains, ils viennent et puis ils pêchent, ils payent une taxe. Et là, bon, le village périphérique, il y a un pourcentage pour le village, il y a un pourcentage pour la commune, et il y a un pourcentage aussi pour le niveau central, donc pour l'État. Et là, vraiment, vous voyez, donc avec cette stratégie de gestion durable de ces zones-là, tout le monde se retrouve et la ressource, elle est préservée, l'écosystème aquatique est également préservé. Nous poursuivons notre rendez-vous radiophonique avec la rubrique Rosa. et les femmes du studio Kalangu ont toujours un beau cocktail pour nous. Oui, effectivement, aujourd'hui, Rabbi Mekanou et Mariam Adé, dans la rubrique rose, jusqu'au bout des ongles, nous parlent d'assaisonnement pour nos salades et aussi de comment prendre soin de son corps. On les écoute. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Chers amis de la rubrique rose, dans ce numéro, nous braquons les projecteurs sur ces petites sauces qui accompagnent nos plats de salade, de friture et même les grillades. Les vinaigrettes donnent ce petit goût en plus. Qu'elles soient discrètes ou surprenantes, elles peuvent aussi se relever piquantes, douces ou sucrées. Nous avons recueilli pour vous plein d'idées pour faire vos vinaigrettes maison. Comment faire une vinaigrette facile, rapide et surtout maison Osez des vinaigrettes originales qui apportent une vraie note en plus à votre salade, aromatisée à la tomate, à la menthe ou même à la mangue. La base de la vinaigrette, c'est l'huile, au moins un ingrédient acide, jus de citron ou vinaigre et des aromates, sel, épices, herbes. Pour varier les saveurs de votre vinaigrette, vous pouvez varier les vinaigres et varier les huiles. Parlons des vinaigres. Nous avons le vinaigre blanc basique, nous avons les vinaigres de cidre ou malt, plus fruités, le vinaigre balsamique sucré et très aromatique, très connu des gastronomes, le vinaigre de riz pour la cuisine aux saveurs asiatiques, on en trouve dans certains magasins à Parlons à présent des huiles. Il y a deux grandes catégories, les huiles neutres et les huiles parfumées. Les huiles au goût neutre, l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, l'huile de colza, goût plus soutenu. Nous avons les huiles au goût parfumé, l'huile d'olive fruitée, l'huile de sésame, saveur grillée, mais aussi les huiles qu'on aromatise nous-mêmes, fait maison. On peut les aromatiser à l'ail, au basilic, aux épices, au choix, vraiment. Maintenant, passons à quelques astuces. Que faire si votre vinaigrette est trop acide Ajoutez à votre sauce vinaigrette une cuillerée à soupe d'huile, une cuillerée à café de lait et une pincée de sucre. Vous pouvez aussi glisser une grosse boule de mie de pain sous la salade et attendre 5 minutes. La mie va absorber la vinaigrette et surtout le vinaigre. Retirez-la, ajoutez de l'huile et le tout joué. En bonus, vous pourrez donner plus de goût à vos vinaigrettes en y ajoutant des aromates hachés, Ail, oignon nouveau, céleri, persil, basilic, en hausa kahi ou en zarma relève vraiment la vinaigrette. Enfin, pour la conserver, versez votre vinaigrette dans un récipient hermétique comme une bouteille vide ou un bocal en verre. Placée au frigo, vous pouvez la conserver plus d'un mois. C'est tout pour euh, l'espace cuisine. Passons à présent à la beauté, Mariam. Oui, bébé, aujourd'hui, on va parler de quelques astuces pour sentir bon tout le temps. Ah, ça, c'est important, ça. Ah oui. Un, hein, c'est laver les zones qui transpirent. Se laver régulièrement est indispensable pour sentir bon, surtout quand il fait chaud. Mais il ne faut pas se laver n'importe comment. Pensez à laver impérativement les parties du corps qui transpirent le plus. La mauvaise odeur corporelle est en effet due à la prolifération des bactéries qui raffolent des zones humides. Pour les déloger, il faut se laver. 2 laver ses cheveux régulièrement. Il ne faut pas se laver les cheveux tous les jours pour être certain de ne pas sentir mauvais, mais une à deux fois par semaine est indispensable. Quand vous vous lavez les cheveux, pensez à bien masser votre cuir chevelu afin de faire disparaître toutes les peaux mortes qui accumulées pourraient dégager de mauvaises odeurs. 3. Soignez ses pieds. Quand il fait chaud, il faut avoir une attention particulière pour ses pieds. Ils transpirent souvent beaucoup et quand ils sont confinés dans des chaussures en toile, ils peuvent vite sentir mauvais. On pensera donc à les laver régulièrement à utiliser du bicarbonate de soude ou du talc. Le talc, euh, Mariam, c'est la poudre des bébés là. Ah oui. la poudre blanche là. Ok. Hmm. Pour supprimer les odeurs des chaussures fermées. 4. Être bien épilé. Les bactéries auront en effet moins de chances de se développer dans un environnement de de, de poils. Cela ne veut pas dire qu'hommes et femmes doivent se débarrasser de tous leurs poils, mais retirer les poils des zones les plus à même de transpirer n'est pas une mauvaise idée. Merci Mariam. En tout cas, ça va aider plus d'un avec cette chaleur. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain sur la rubrique rose du studio Kalango pour encore plus de bons plans. Bon, maintenant qu'on s'est lavé, on s'est épilé, on a mis nos parfums, nous partons à Difa, où notre reporter Guidi Abdourahman nous propose un sujet sur les adaptations en ces moments de, en ces moments de Ramadan. En effet, Olivier, pour des raisons de sécurité, depuis plusieurs années à Difa, les autorités ont pris certaines dispositions pour que les fidèles musulmans puissent accomplir les prières nocturnes dans les mosquées. Mais à l'occasion du ramadan de cette année, quelques mosquées sont autorisées à effectuer les dites prières. Les détails dans ce reportage de Guidi Abdraman, qui, Guidi, que nous allons retrouver en ligne depuis Difa après cet élément. Avec la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Difa pendant le mois de Ramadan, la prière nocturne qui dans les mosquées a été interdite avec la mise en place de certaines mesures par les autorités. Mais depuis l'année dernière, ces dernières ont donné à certaines mosquées la possibilité d'organiser les prières. À la grande satisfaction des pratiquants, pour cette année également, 15 mosquées de la ville de Difa ont été autorisées. Saad Alto, le président de l'association islamique de Difa. zamantakewa na yau na halin da ake ciki yasa ake tambayan izini dan a gaya wa ma'ikanta kuma su ba da gudunmuwa su na tsaro na gwargwadon gurare waɗanda ake wannan sallah kun ba da dama kuma na wasu masallatai eh, kamar haka akwai masallacin difakura na mai martaba sarkin komadugu masallaci na biyu masallacin juma'a ne na usman bin affan na uku masallaci na juma'a na ajimeri sai masallaci na hudu eh, na usman bin fodio masallaci na juma'a ne shine na biyar masallacin abba ajiwa na shida masallaci na ne saje sai masallaci na bakwai masallacin sabilul huda sai masallaci na takwas masallaci wanda yake a afnori na gidan mala alto na tara akwai masallaci na ammar bin yasir masallaci na goma na shek sa'idu jama'a ne na goma sha daya masallaci na shehuri masallaci na goma sha biyu na shek sani lugari masallaci na goma sha uku na mala abdulsalam masallaci na goma sha hudu na mala attahir na goma sha biyar na kohar eh, gidan alai jamilu kamar yadda yan uwa suka sani a bara masallaci goma sha ɗaya ne a bana kuma allah da ikon shi an samu masallaci goma sha biyar yana a sannu sannu ana tahiya ana karawa muna fata dai a samu zaman lahiya za a kai ga inda kowa zai yi ba tare da an tambaya ba. De leur côté, la population manifeste sa joie et apprécie la décision des autorités de la ville. ra'ayina na farko game da yamaleli da aka saki ba rari an saki masallaci bana kuma an kara mana an kashe masallaci goma sha biyar dokan da suka dora ya yi tsanani sosai a rage dokan na mutum ba iya tashi tashi karhe sha ɗaya ya je har masallaci ya zamna har a fara yamaleli a kare in an kare ma baya zuwa gida sai karhe hudu to mutum zai iya yin sahur a gida kuma ya je ya zamna karhe hudu kenan gwanda a bar shi mutum tun sha biyu ya je ya zamna har iri ya yi a yi sallah abu ne mai kyau da farko muna kira ga gwamnati yadda suka yi nazari suka gani wannan wata ne na cikin ibada suka yi nazari suka bar mana wannan lokacin kwana goma kenan muna kira ga gare su su karfafa mana tsaro sa kayo muna iko kowane masallatai wanda suka gani suna iya bada tsaron nan wanda zai sa cikin kwanciyar hankali mutane su yi ibadansu sannan ina kira ga mu bangaren mutanen gari da cewa irin dokoki da aka gindaya ya kamata a ce mutane sun bi su ɗaya bayan ɗaya don saboda a tantance tunda abubuwan wanka ce cikin jama'a ne dole ne sai mu mun bada wani misali mun bada wani goyon baya akan wannan matsalolin don saboda jami'an tsaron su ma da kansu su ji daɗin aiki a cikin wannan yanayi ni dai ina murna wallahi gaskiya game da sakin kiyamulil da akai yi kaga bara ma an sake mu mun yi mana kuma kaga alhamdulillah da yake tsaro an dan samu sauki yanzu an ba mu masallaci 15 sai dai abin da aka ce mana mu biye dokar da aka ce mana kaje 11 zuwa kare 4 amma muka yi kuma magabata su ji daɗi tunda kaga bara mun bi doka an bar mu kenan gwanin ma muna fatan mu ƙara bin doka kenan kaga baɗi sakin mu ma za yi alhamdulillah muna so mu yi kiyamulil mu roki Allah Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar mu ta le président de l'association islamique Saadou Alto a par ailleurs attiré l'attention des fidèles sur le respect du couvre-feu et des horaires indiqués. A ah, ina kira ga 'yan uwa da su yi kokari a bidoka a bidokoki ba da dama na yin waɗannan sallolin bai sabke dokoki waɗanda muke ciki ba na yanayin zamantakewa na yau in mutum ya huta zuwa sallah ya yi kokari ya ga ya huta da karta ɗin shi in kuma an tsaida shi to ya yi kokari in iko ya tsaida shi ya yi kokari ya tsaya yana wa tambayan shi za a yi daga ina yake ko kuma ina za shi tunda shi iko ya tsaida ka bai sanin sallah zaka in kuma ka gudu to fa munafiki ne ya gudu amma da karta ɗin ka kai zo ina za ka nuna mai karta ɗin sallah zan ta shi kenan kuma a yi kokari a kiyaye bin bin guraren da Depuis 2015, c'est la deuxième fois que les autorités de DIFA autorisent les prières nocturnes pendant le mois de Ramadan. Une évolution vers la tranquillité et la paix dans la région. Salut Giri Abdurrahman, comment vas-tu ce matin ça va très bien, Alhamdulillah, En tout cas, merci beaucoup pour ce voyage-là. J'espère que nos auditeurs et auditrices se portent bien à Difa. Effectivement, Guidi, euh, déjà les prières ont commencé hier soir. Est-ce qu'il y a d'autres mesures sécuritaires qui sont mises en place pour D'accord, merci beaucoup. On te souhaite euh, bonne rupture hein, et bien de choses à tous nos amis de DIFA. Merci, Mungode. Hmm. Retour à Niamey où nous retrouvons notre chroniqueur sportif, Assoumi Gourouza. Comment vas-tu, mon vieux Très bien, Olivier. Et Alors, bonjour. Bonjour. Merci. Alors, la Foot a procédé au tirage au sport. Ah, au tirage au, sort, de la Coupe nationale. Oui, oui, effectivement, Olivier, c'était hier au niveau du, du, siège de la Fédération nigérienne de football que la liste des équipes qualifiées a été officiellement annoncée, ainsi que le tirage au sort euh, du premier tour préliminaire. Le directeur technique de l'instance suprême du football nigérien, Lawali Kerba a apporté des clarifications par rapport aux innovations apportées. Cette année, chaque année, les clubs issus des régions euh, sont représentés par huit clubs, euh, par euh, un club. Cette année, il y aura deux représentants issus pour chacune des huit régions, ce qui va faire maintenant 16 représentants. Donc, les 16, les 16 équipes vont affronter les 20 clubs des ligues nationales, ce qui fait 36 clubs et qui vont après euh, se lancer à la conquête de la Dame Coupe du Niger pour le compte du premier tour seulement préliminaire qui commencera d'ailleurs le 27 avril prochain et prendra fin le 30 euh, avril 2023. Euh, les 14 clubs de la Super League, c'est-à-dire les équipes qui jouent au championnat national de la première division, sont exemptés du premier tour. Puisque c'est une affaire de calcul, au total, combien de rencontres vont se jouer oui, Taïsir, euh, il y aura 18 rencontres lors du premier tour préliminaire. Au terme de ce premier tour, 18 clubs seront euh, qualifiés pour la suite de la compétition. Ajoutés aux 14 équipes exemptées du premier tour, vont jouer les 16e, quart de finale, demi-finale et la finale d'ailleurs est prévue le 3 août prochain, l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger. Alors, que représente cette coupe aux yeux des clubs oui, Olive, cette Dame Coupe a une grande importance capitale pour les équipes nigériennes et c'est le cas partout euh, dans le reste du monde car d'abord, ça permet aux petits clubs d'être proches de l'élite. Euh, les joueurs auront également aussi le privilège de croiser des adversaires qui ne voient euh, que, ne voient que seulement à la télé. Et sur le continent également, la Coupe nationale ouvre une opportunité internationale qui est à la qui est la Coupe de la Confédération africaine de football. Pour rappel d'ailleurs, euh, Olivier, AS Douane est détentrice de cette Coupe du Niger édition 2021-2023. Merci Gros. Avant de partir, est-ce que tu peux nous donner la liste des équipes par région et par ligue nationale Oui, rapidement Olivier. Agadez à, Toudou et Aigle FC, Difa à Barca FC, Lada FC, euh, Dosso à National de Dandi et Arewa FC, Maradi à Nassara de Tessawa et Zaroumé FC, Nyame à Juvenil FC et AS Aleri, Tawa à JS Sader et Aminki FC, Tilaberi AS Liboré et Sonyenka, Zender à Alkali, Nassara et Monio. Euh, pour les qualifiés de la Ligue nationale, nous avons Agadez qui a Telwa FC, Abzin FC, Lantarki FC, Nassara AC, Difa, Monio FC, Dosso Entente et Tagour. Maradi, Bourja FC, Dankasawa, Wambei FC, Nyame AS UAM, AS ZAM, Étoile Rouge, Kandaji FC, Renaissance et Zumunta FC, Kawa Dangourmou FC et AS CBK de Koni, Telaberi, Avenir FC, Zender, Étoile Finlande FC. Merci beaucoup Hassoumi Gourouza. Maintenant, c'est le moment pour nous de poursuivre avec la rubrique portrait et aujourd'hui nous vous proposons celui de Oumarou Adamou Kalilou. Âgé de 39 ans, Oumarou Adamou Kalilou est natif de Tondikandia, commune rurale de Damana, région de Tilaberi. Après 20 ans de vie à Niamey, Oumarou se préoccupe désormais de la situation sécuritaire dans son quartier cité député. Pour apporter sa pierre à l'édifice, il a mis en place deux ans une association de jeunes vigiles des quartiers communément appelés Dambanga avec l'appui du chef des quartiers. Son portrait avec Oumarou. president umaru ninkati dan bangayi gin funane site i funu nara zuga kara na si dan bangayi satawo singi site depte kurara irgo gorde no yakine inde kaino fokan n'a haruna to do. no irde action fokan anir E hin kan ta ko ne wai bai ko karte yang kan ne ha ne o kure fo izuro ai ne wasite dipte izuro kulu polisana na bon samba ne gona ne bikko kar kar kar hinje zo ga ina halbani ane semane ane sitedi bite ane bendiye kure nono din to hari na fure ga hamora zari kware de ya kin woy e bore kai yen ko ngai ne rendi zan hai foy e foyan ni ga di zan ka bendi bendiye zari kware ga zamu kabara ga ima kai na kan ga seta itun ir ko mai gardo in sanno te mai garse mai garno wala aran sanno aran shawara ga bori ane amma son inga sirwo no jin da jina halangumu ngum konda shawara kom seriya ir goni jirbi hinka mai a nirse dirga bayar mu go sintin il faut que mu du adiliyan adilian kai yan mun ci zufuta zaman dan banga tarayo izufuta sati kalban kan mun bai te kasu ina aka nirse to soho a yi mu ce ci bor waranka soho ni bora waranka din ceci a duwa tori za soho a kan bayra ga yin to ba sen kisa miliyan kai wala mbaya din ta kure ko mbo ala a yi ceci bora yan goton toniga inna go washington dan bango kairo ga bor kul kan se wani ga kano kula sta dan manga da ni ga di wani to parfois din di wano di ni bin ga kwaga din ma hagoi kula kan ni sesen ai zeno kan ai sibai kul tonye ai sibai kul zalum ai sibini ga koyin dunya har ni talo kan te ngi gobo ne gin karda lokaci margina ya karna goyo sin ba ito jiri hinka to son goyo karan gotira ifuk ti sanda yan karan godiyara to sanda dai afo dai dambango aga kamata da ba mankin da wakan gwamnan to do ni tira. kura mai jidai himgir gaksine wallahi ruwa ni go sintin kan kuna ga ne dai mine alhaji isu kan go wannan go ngi hinnuno bai gir ga ne zambar waranka wallahi a du gaksi ne kud wallahi abandara mbagi du gaksi ne kud da yakin ba ci ce kan ni ti kura borai da gin funai do wallahi ai ga ba gin funai im kamba da ngirse kura borai mu im kokari man cin ni gani zai tara gaban no bo da mana ga te bor kul kan go site dibite jirihin ko da kyargam kin no go sintin kunno ko be kan si ter bito Allah dogo ne kara ya den gari ba ko kura bora ga ir ko da ne bora. zangu zango ne kirgo ta man cin mori go ga ngwali go ga ifono ir go gudu problem go ora kai ga jante goy jine ga ba da hankan ga himan da yadin ni zangu zango ne ngun go danga har ka jere da to so ran go te gudu goy gine di goy jine bumbo idde no go gini teri hinera kai na inde kan ta ran kan ga man da yadin wadi yanno irga goy jine dai da da hankan gai man dani wani nango ire ir baze sintina dan jino bande dan aga wallahi bar kulisi kurora mai jir kamba na waran ka sambu gane dan banga ga sine ne dan jo ni wa an gor sine ngwa to son goyo wo kan ninka ti gina fona ifo ti gomne kan ni duwara to wallahi ai gine alhamdulillah za kai gonda ga ne zama hariwo wo din sintin din hin suru kulu niga hiniga la sabu kan niga du a gwamno jine kura bora ga berendi goyo sere niga berendi ay ni ce ngo kan niga te gwamnati sai ifo niga ba taran se gine wallahi irga bano imirga kisine imi dirise di yende gi ci muri mu du gojine jine wa dum cin notun ko habga addayan wala zame wala gobu yandai irga bayra to wallahi gojin dan to ga nganda hina ko ne imi dirise imi ga kisine irsi te di te dambanga banga wallahi irga ba dire zama aiwo da ya kon tara wanda ko yankon ga ise gaba matno ni giba nan da kan kangir sintin dir sinti digo wono rota ay ga marguno kala mutum hannu foyon le nef wala dis a yi mai kulin margu a yi mai bana gaba dai amma ko korban da kan borai si ga bana se a yi si gani godin te wanda ko ma gani gibana zangufo wadin se ko korban da ga ai sigi hini gini bana danga matka wato ai gini bana gabare kalson wadi ko ga ta dai dai to borfo bana dai mine filana gayi ai wo dai bumbo bumbo ai man bai ga zan kai bana ai mine 5 mil kwara ne kan jinde sai zibara ai go ga tere no ko da ne bal formara aga am te jine to kura borai wo ifo ken kan ni te se kangana ma madiyara sai lakkal kana mu du irig bano zabora di barkan ga man dai wai lamba kura shin nan kulka zabura di ban kan gani man yadda hinna mace wani lokaci kulu zani ce hinni nan gu filano shi da tsin nan kulu kris bai nan gu filano wala ai wadi ban kan gai ci na asin da air kulu kan asin da lokaci zariya din zama hariwo zarmai ne din kai wangu mai kore din ta hariwo din kai amaga kulu mu kai ga murado batu Merci infiniment pour euh, ce portrait. Le portrait, c'est cette rubrique qui nous donne les histoires de femmes et hommes, des histoires qui nous inspirent, que nous partageons avec vous dans cette émission Le Niger sur Kalangou. Vous avez une histoire passionnante, n'hésitez pas de nous contacter sur nos réseaux sociaux. À présent, c'est la recette culinaire et nous allons apprendre à cuisiner le plat Touareg Mokfei. En tout cas, je suis tranquille parce que Taïsir est là. Exactement, Olivier. Aujourd'hui, nous parlons à la découverte de la cuisine nigérienne, plus précisément la préparation des Mokfei, un plat traditionnel très apprécié et prisé dans les cérémonies de la tradition Touareg. Alors, comment se fait la préparation des Mokfei C'est une question Bien sûr. <laughs> Ah, c'est à toi de nous le dire, Joe. Bon, Puisque visiblement tu n'es pas bon cuisinier, laissons Madame Amina Habou, ressortissante d'Agadez, nous présenter le plat. Elle a participé à la quatrième édition de la marmite nigérienne à des propos recueillis par Hawa Ousmane. ta tafuwa ce ta buzaye da alkama ake yin ta alkama ka fidda mata duwatsu ka gyara ta da kyau ba a sirfa haka nan zaka kai ta mashin a nika ta ka doko mai gari ka doko darurruka ka tanka ta ka sa saki daban ka sa gari daban sa'annan ka doko tukuya ka ka fura wuta ka azana sai sun dafu da kyau suna fita kashi sai ka fidda su ka baro romo romon na sai ka kara dan ruwa cikin shi to a cikin shi ne zaka zuba wannan sakin kana tukawa kamar kana kana tuka tuwon lafshi haka ake yin shi kana tukawa kana sa naman nan ba a sa albasa da nama ne zallan su kadai ake sawa ba a sa komi kana tukawa da kadan kadan in saki ya ida ka dauko garin nan shi ma kana sa nama kana tukawa kana sa gari inna kuma akwai man shanu kana tukawa kana sa man shanu kana sa kuma alkemu hadda alkemu ake sawa a ciki shi kuma me alkemu alkemu wani yaji ne komi na alkama ana sawa cikin abincin alkama duk ana sawa shi wani yaji ne da shike wannan ɗabin ne da dama mu da muka san shi buzaye nama kawai ake sa ma duk abin da ya shafi alkama da nama duka cikin shi ne ake sa gyara nama yake hidda mai kazini ku kwarai ko gyara nama yake yi in ka sa cikin nama sai ka ga naman na si dadi da kyau fidda kazini da fuwa mai kyau dai mu buzaye ba mu sa yaji su tafurnuwa su menene ba mu sawa nama zallan su muke dafa su amma ba zaka jin kazini ba yanzu an ka tuka an kai ana sa gari ana tukawa to sai ka an ana sa gari ana ta tukawa man na shanu kana zubawa a ciki kana ta tukawa har ka ida in ka ida sai ka like ya jimawa yana ta dafuwa shikenan a sabke ga wanga mukfe don lokacin aka yin shi wannan abincin in kana da baki ma kana iya yin shi kuma ga sallah ma kana iya yin shi lokacin da kake so kana marmarin shi dai kana yin shi bai son nama kaɗan mai mai amma kuma ba a yin shi an ba sai ka ajiye man shanu ba da wannan yajin da yake ce miki alkemu in babu alkemu ina da man shanu ba ka yi mafi ba nama ka dai ba su gyaran shi dai. Restons dans l'univers féminin avec la prochaine rubrique et nous poursuivons avec le loti. Aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu nous parlent de somnifères. Certains parents, Olivier, administrent des produits pour endormir leurs enfants, pour diverses raisons. Cependant, les somnifères ont deux effets secondaires sur la santé de l'enfant. En gros, c'est une pratique très dangereuse. Plus de détails dans ce loti présenté par Rakia Arimi et Samira Rouafi. Lotzi, Lotzi, Lotzi. Assim vamos, Reian. To, son wa kan yi goyo bananti. ka kwaifu ga fulansa su ba zaro wai ga bai kan kalabar kan diya safura safura kwagin kai tunan dirim kwaifu. tanti agoi girbi ai tete ai ma tunan di amantun a a mate maria maria hey agoi girbi bu. baro si ne. to na ngai ma hampa dai irin kwai aga tunufu mama tani go kwaifu no zason oh halima ai go kwaifu. ay farga ay ga koy ga filan zam kai fo so bi ba wo se dir koy nir ba amma ya go no halson ai di zakaran ranka a gode ga kani data dai bani a bani samai halima girbi safar dai no ai nano amsidu gaisa kulla ai mu ga kaba bawo goyo te suba masir garse ai gita ma ai nano ibo buseno a hal kaso. mate safar safagin wani gini izo no am sudu gin dogan di hinna se ifo seni na hai din bayni se baga nig banim ko chaw bafu ya yamu yamu bafu na isara halima girbi safaro hinne kan nanu amma ina girbi ga bori ga hambani sai mai wala ai mandi hai kan to marayyan hayora wallahi ni gai hagandi mamata ni mandi han kan to marayyan haraka wora ni sigidi kan go ko chawo marai boy kan yan sigdu jirbi ise ni gi girbi safarino ni zo wa sigi jirbi no a wala ga du girbi matka himanda aina nosa foro daino zama ba ga fur jamara ai si ba sa kula din kaga te boraisi kini rawa a yin girbi te himan da mama ta an kan gote wallahi a si hagu da bayan ni gidi zan kai kan ga hegu ci ni wal boye kan yanga ganji yin fulan zam ise ni ga girbi safari wo safaruwo dingo gano zan kase a gwanda illa bobo ko ci ga hamba noga safari wo zan kukul kan manto girfo imai him gana si ni zo mo mi ami handu iddu ko ndin gi safar faksan bugno bo fo se to kul doktor no ni ci to ayya ngoga woga man ditali halga kaso safaro no yan woga yadin no gi safaro wadin goga no ko ciyasi sintinaga ni di kamanta yi kunno amman dingo dai gano ase illa bobo no gaga nidi dingo dai ga girbi safar sambu so kufa din no zanka kai na se ikkan da masala bobo kan bada gwamno kan ni gobe tiga to halima ni bumbo ni ne digo gano da bayan ai mo ka kadai dirgo fattano aiga safaro ya dinga ni di ka kadai dirgo fattano aiga safaro asibame wallahi ni goga yadda randi. <laughs> Halima. Ai mama mata gogin harin da amma manta hare hare no. Nisi bai kan dingo da ga girbi safaro nasi lokaci kukura. Illa foyin no gono. ga hinga kan da kwacha ga han ba bon Walmo a wani bollon do da ga yi yan wodo hare. da lokaci kai ga mono goga gana se wadin gi hinga kande ba dingo salnga se ni gidi kan alakkala sinango walhala ga haifo sallin se aga sambu lokaci da lokaci ku mo koi ne ko ga hinga te bondoriya fargai asidigi bori aga digi dusungu aga di kubai ga hamo ga dogu mo biniyan gidi gadi he dori bobu no gona kan ga yinka wani banda hayai wo kul halima ibami ni go bai kan ni go kiyai semo ni din yankan ga hamba no haga ka gano aibu to da ya dinno ai gana wadin ta ni sai gwamni gibisa hanga nai sai koi ne dinga bani izo mu jirbi ni ma dan nan gu kan lakkal kanai gono si sigi salan nan ga yayyai a ga jirbi amma ka ni zan ka fawon mo gono igi nyu mai no wadin banda iga jirbi kan sa tukancin ni tunandi wadini a bisa jirbi kan ni gano to halima ai fahamdin sannayo nidi mariya alga kaso ago jirbi koine mo hayai wo kulkan niki ai sebo ai tunu fa zama amango gatunu. ai kun kan ai no masala ga ka irse a a masin lakala tunan kul no site nin si nim siye gano jirbi safari ka sai ni ba ni mu koi wal ka sai ni Allah ai ya mariya mai c'était le loti des femmes du studio Kalangou, le seul loti diffusé à la radio. Chers amis auditrices et auditeurs, nous allons recevoir Moussa Hassan pour la rubrique culture linguistique. Aujourd'hui, il nous explique le mot secours en langue zarma. Oui, bon, en français, d'abord, on peut dire que c'est porter une assistance à une personne ou à un groupe de personnes, groupe de, un groupe de personnes euh, en situation de besoin en cas d'accident, par exemple, ou bien quand les gens se perdent dans le désert, comme chez les Ali <laughs> on leur porte secours à travers les premiers soins, les éventuelles évacuations. On peut aussi porter secours d'urgence à des personnes selon la, situation de, du danger. là, c'est des personnes professionnelles qui l'assurent à travers des services publics privés comme SAMU, sapeurs-pompiers et autres. Et en Zarmouan, Tout ça, ça donne quoi Oui, ça veut dire FABA. Mmh. Bon Faba, on peut se porter secours soi-même. Par exemple, les pneus de secours, les caisses, euh, les boîtes à pharmacie et autres. Et on peut porter secours. Ningin bon Fomo Faba. Voilà, wasi wasi Faba, wat kanchine atoburase fundichi nga, ningin Faba, du safari de jine kagnam sibu. Merci beaucoup. ok, Akaina Borei Fabayansé. <laughs> Nous disons merci à Moussa pour cette partie de radio. Nous allons vous donner la parole. Chers auditeurs et auditrices, la parole est à vous. sani Sani eh, Sama'ila dan kabu kabu bakin likita gindawa. Eh, gaskiya labarin studio Kalangu muna jin daɗin shuraren su kwarai kwarai. Abinda muke so da su ya kamata a ce a ƙara mai lokaci na wanda al'umma za su jin daɗin shuraren shi saboda labaru wanda ba mu da samun su wani bangaren muna samun su a bisa kan studio kalangu to ni dai suna na haruna lawal sanda likita ne a csc urban eh gaskiya studio kalangu kenan muna ji duk information da muka saurara he mu ga kuma realite a zahiri he mu gani kuma sosai a tace yake sosai lahiya lo komi mu ga normal mu mun dauka ma daga can ne muka rasa daga ina ne a shi da muka yi tambaya mu aka ce abun aka yi daga niyami an a rarraba shi muke saurara kuma muna jin emission wanda ta burge ni sosai naga ana an faransi mem tan he ai traduire a Hausa a kara awoyi wanda an ke kara ko awa biyu ko awa biyu da rabi eh na Malam Habibu dan katsari to wallahi ne shirye-shiryen nan da ya komo suna birge mu dan sabili da suna ba matuka. Chers amis auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de l'aventure de ce jour. Nous serons très ravis de vous retrouver dans un prochain rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.